Thank you. pas saboteur. Il n'y a pas de saboteur. Après, nous, nous allons, nous, nous allons déposer, d'accord Donc, nous, le saboteur. Donc, nous, nous allons, nous, nous, nous déposer après. Vous, le saboteur. Donc, je reviens. je reviens. Je vais déposer. Et je reviens. Donc, donc, vous avez vu le sabotage dont je parlais. Vous avez vu. Attendez un instant. Nous allons déposer. Maître Diouf,

xam naa li ma neex rek booy li ma eh, dëgg eh, ma leen di jox ni may def sonko ni may rendee sonko sonko may rendi chaque jour moo di bëgg a ray attendez attendez attendez je vais déposer et je violeur, maître Diouf, violeur, maître Diouf, violeur, maître Diouf, violeur, maître Diouf, violeur, maître Diouf, violeur. Vous avez vu, je suis très content de dire aux Sénégalais, maître Diouf, violeur, maître Diouf, violeur, maître Diouf, violeur, maître Diouf, violeur, maître Diouf, violeur, maître Diouf, violeur, maître Diouf, violeur, maître Diouf, violeur. मेरे अरे चले अरे वहां से अरे या लेफ्ट मैं तो जूस या लेफ्ट या लेफ्ट अरे थे अरे चले عمر عمر يا ليف يا ليف عندك سبعة طلع انا ارتلي يا اخي انا غير كونفير اي اي بوفار يا اخي Aujourd'hui, j'ai déposé la plainte. C'est une honte pour eux. C'est un mensonge flagrant pour eux. Ils avaient juré sous tous les cieux que merdou ne déposera jamais de plainte. Quel menteur Aujourd'hui, le mensonge est là. Aujourd'hui, je les comprends. Ils sont morts, morts de honte. Quelle indignité personne ne peut m'impressionner et personne ne peut m'intimider Comme ne comme naqari lu ma neex là wax ku ma saaga ma saga sa ndey ma El Hadji Diouf la scène. bi ma koy vous avez vu ils sont venus pour saboter notre plainte Qu'est-ce qu'il faut ici Parce qu'ils n'ont pas d'argument. On demandera l'arrestation et l'emprisonnement Ousmane Soko. On demandera l'emprisonnement des menteurs. Ils ont peur aujourd'hui. Il faut les voir. Je vais les déposer. Je suis venu depuis 10 heures. Mais j'attends. Je vais déposer avec vous. Je vais vous demander de m'accompagner. Tout de suite, attendez. Je voudrais que ces saboteurs-là disparaissent. Mettre le motif de la plainte. Ils sont venus saboter notre dépôt de plainte. Le motif de la plainte, s'il vous plaît. Je vous le dirai quand j'aurai déposé, je vous donnerai la copie. ne soyez pas pressés. Le mensonge peut prospérer un temps, mais la vérité finit par triompher. Aujourd'hui, ils sont venus saboter parce qu'ils avaient juré sous tous les cieux que Mamour Diallo ne déposerait jamais de plainte. Quel mensonge flagrant Aujourd'hui, je suis venu déposer la plainte de Diallo contre ce menteur de son corps. Et ses partisans sont là troublés. Parce que menteurs comme lui, malhonnêtes comme lui, euh. ils sont démasqués aujourd'hui. Et la vérité va triompher. Ils n'ont que les à la bouche. Et comme vous le savez, l'injure, l'injure c'est l'arme des faibles, l'injure c'est l'arme des faibles, des voyous et des talibés de son corps. Merci, je reviens. Thank you.